Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire Covid-19, le Sénégal a enregistré ce mercredi 9 cas de décès et 290 guéris. Le point dans ce journal. Sécurité alimentaire, 30 tonnes de produits sont incinérés à Thiès en présence de l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Ouf de soulagement au lycée de Toubatoul, un forage est construit pour pallier à ce manque d'eau dans l'établissement. Akiès, conducteur de moto Jakarta et chauffeur de taxi, pas toujours en bon terme. La page internationale avant celle de la page des sports qui viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire. Et nous parlons de cette pandémie de la COVID-19. 156 nouvelles contaminations sont enregistrées ce mercredi. 290 sont déclarées et guéries et 5 décès. Le point, c'est avec Dr Elaj Mamoudou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1390 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,22%. Les cas positifs sont répartis comme suit.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 nous avons eu 56 cas, dont 10 à Kies, 8 à Kolda, 7 à Kédougou, 4 à Saint-Louis, 3 à Richard Toll et à Ziguinchor, 2 à Kaolach, Kebemer, Kumpentum, Louga, Sali, Mbour et Pout. 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Cinq décès ont été enregistrés ce mardi 9 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Sécurité alimentaire à Thiès, incinération de 30 tonnes de denrées alimentaires périmés. La valeur est estimée à 15 millions de francs CFA. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, le préfet du département et le chef du service régional du commerce étaient sur les lieux. Après l'opération, Bamba le chef du service régional du commerce, nous fait ici l'économie de cette opération. Je vous propose de le suivre. mooy destruction produit yu ñu retiré yu baaxul yi yu ñu retiré ci marché bi rent jii ñu ngi am lu ñu toll fanweeri tonne yu teg ñoo ngi ko retire ci marché bi marché yi yow marché bi mun ne marché bi mooy fépp nuy ñuy jaayee ci diwaanu Thiès muy Mbour Tivaouane ak Thiès euh, Mbour Tivaouane ak Thiès ci produit ren yi nag gis nañ ne mooy toll yi tor 30 tonnes yu teg produit yi nag lu ci ëpp ay lekk la. lekk ngi ci waaye lu ci ëpp tamit gis nañ ci tamit ren yi ay yoo xam ne produit yoo xam ne lekk lu naan cosmétique cosmétique bokk na ci ay service hygiénique ak ay yu demee noonu yu demee noonu loolu yëpp na leen dajale ni tey ngi tey pour yàq ko ndax li nga retiré que bu ñëw di koy yàq ndax tamit li wattul duggaat ci marché bi moo tax ñu koy dajale fii pour def cérémonie boo xam yàq ko loolu la ngeen xam ne nag décret benn am benn décret bu bu ñu ko permettre bu ñu naan 68 500 508 moo ñu permettre ni produit bu yàqoo bu tug si kuréel affaire am ngeen am droit ngeen ñëw yàq ko yàq googu leen dajale fii tey pour kii 30 ton yi nag ñu ngi koy estimé ci prix de 15 14 millions 300 moom mooy quantité bi yëpp ngeen gis nii rek loolu lañ ko estimé ci ci wàllu xaalis. Pénurie d'eau au lycée de Toubatoul. Pour résoudre ce problème, l'honorable député Fatou Sen, en collaboration avec l'ONG allemande Hilf für Africa, sont venus au secours de l'établissement. Ils ont construit un forage dans l'école. Reportage Ramotoulaye Sissé. Le lycée de Toubatoul confronté à un manque d'eau criard depuis très longtemps, peut enfin poussé un ouf de soulagement grâce à l'honorable député Fatou Sen et à l'ONG allemande Hilfe for Africa qui ont réalisé la construction d'un forage pour éradiquer définitivement ce vieux souvenir. Ah, Moustapha Personnellement, je me suis engagé pour la réalisation de cet édifice en remerciant Mustapha Ba qui a ménagé aucun effort pour me venir en aide. Mon objectif était que Toubatoul puisse avoir de l'eau potable. Toubatoul souffre de son manque d'eau et nos enfants ont besoin d'un terrain de football. la parole. Le représentant de l'ONG for Africa a rappelé que leur mission est d'appuyer les populations les plus vulnérables. On nous interpelle le plus souvent dans le domaine de l'hydraulique et de l'éducation. Nous remercions le bon Dieu après avoir réalisé cet édifice. Nous avons toujours jugé nécessaire à travers nos programmes d'accompagner Fatou Sen, l'honorable député, pour répondre à une vieille doléance de Toubatoul problème Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives et éducatives, notamment le sous-préfet de Tchénaba et le représentant du conseil départemental de Thiès. Ainsi, l'honorable député lance un message aux élèves pour la bonne gestion de cette réalisation. Et nous parlons du transport urbain à Thiès. Les chauffeurs de euh, taxi et les conducteurs de moto Jakarta ne sont pas toujours en bon terme. Nous assistons à des querelles de bon voisinage et des fois, la situation est très heurtée. Reportage Fatoufal Koumba Ici à Thiès, les chauffeurs de taxi et conducteurs de moto Jakarta ne partagent pas le même langage. Il se heurte presque toujours dans la circulation. Costa fait, ce conducteur de Jakarta confirme que ce sont les chauffeurs de taxi qui sont jaloux envers eux. Vous savez, dans la circulation, il y a certains taximans qui ne supportent pas les conducteurs de moto euh, Jakarta et c'est vice-versa. Euh, donc, euh, c'est la réalité de la circulation. Euh, parfois, les chauffeurs de taxi nous insultent puisqu'ils ne nous considèrent pas. Vraiment, c'est déplorable et pourtant, c'est notre gagne-pain car c'est grâce à ces motos Jakarta que nous arrivons à nourrir nos familles. Il faut que donc il faut que les taximans comprennent cela. De l'autre côté, les chauffeurs de taxi disent le contraire. De manière euh, générale, toutes les personnes ne sont pas égaux. Euh, certains conducteurs de moto Jakarta sont indisciplinés du fait de leur comportement. Euh, ceci est fallable aussi pour les chauffeurs de taxi. En tout cas, nous sommes les acteurs du transport à Thiès. Donc, il faut que tous les deux quand se comprennent, car si chacun respecte ce qu'il doit faire, il y aura plus de divergence entre nous, taximans et conducteurs de moto Jakarta. Alors, vivement la paix des braves entre nous, taximans et conducteurs de moto Jakarta. Ces moyens de transport très pris par les Tchessois constituent un véritable moyen de transport dans la suite du rail, car certains les utilisent pour commettre des actes néfastes, mais pour d'autres, ces motos Jakarta sont des mal nécessaires. Après les événements malheureux survenus les jours passés dans ce qui est appelé l'affaire Ousmane Sonko Adissar, le mouvement pour la défense de la démocratie était en point de presse hier mardi 9 mars. Il a passé à l'évaluation des événements et envisage d'organiser une journée de deuil national. Le vendredi prochain, il réclame la libération des détenus de ces récentes manifestations. Nous suivons Hassan Khan, le porte-parole du mouvement. Le MDD a assumé toute sa responsabilité pour mobiliser, organiser et conduire la lutte pacifique du peuple pour la démocratie et l'état de droit. Soucieux de préserver la paix et la stabilité du pays, le MDD s'évertue à mener toutes ses actions en conformité avec les droits conférée par la Constitution. Le MDD a aussi entendu les nombreux appels, y compris ceux des guides religieux. C'est ce qui justifie la suppression ou bien la suspension des deux jours de manifestation initialement prévus ce mardi 9 et mercredi 10 mars. Le MDD appelle le peuple sénégalais à un rassemblement pacifique à la place de la nation à Dakar le samedi 13 mars 2021 à partir de 15h pour la libération des détenus, toutes les dispositions prévues par la Constitution sont respectées par le MDD. De tels rassemblements pacifiques sont aussi prévus dans les régions et la diaspora. Tous les manifestants sont invités à venir avec le drapeau national fait à Dakar le 9 mars 2021. L'actualité nationale est dominée par le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES, e qui envisage d'aller en grève de 48 heures à partir du lundi prochain. Ney nous fait le round-up de l'actualité nationale. Démarrons les actualités nationales par le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, e qui a décidé de décréter une grève de 48 heures lundi et mardi prochain en vue de l'obtention d'une charte pour le respect de l'inviolabilité, de l'intégrité physique, morale et matérielle et de la neutralité des agents de santé. Cette grève concerne les activités de soins et d'administration, y compris celles en mode virtuel. Les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort ou tout autre document médico-légal, précise-t-il dans un communiqué puis le système judiciaire est paralysé à Hambourg. Les audiences qui devraient se tenir hier ont été renvoyées à la semaine prochaine. Ce report est motivé par les émeutes qui ont éclaté ces dernières semaines sur le territoire national. Craignant que le tribunal soit la cible de manifestants, les autorités judiciaires n'ont pas pris le risque d'organiser des audiences. Et enfin, la brigade mobile des douanes de Kungel a opéré une saisie d'une tonne 766 15 kg de chanvre indien d'une valeur de plus de 106 millions de francs convoyés par un camion. La saisie a eu lieu lundi à 6 heures du matin au poste de contrôle de Kungel, précise le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes dans un communiqué. Le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes évoque également l'arraisonnement de la évoque également l'arraisonnement de la brigade maritime de Joal d'une pirogue transportant 420 kg de chanvre indien. Deux personnes avaient été interpellées au cours de cette opération qui avait eu lieu le 2 mars 2021, rappelle la même source. C'était tout pour les actualités nationales. Sur euh, l'international, le parti RHDP du président Ouattara remporte la majorité des sièges à l'élection législative en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale porte la signature de Ahmadou Bambali. Nous démarrons l'actualité internationale en Côte d'Ivoire à l'issue des élections législatives. Le grand gagnant est sans surprise le président Alassane Ouattara. Son parti, le RHDP, remporte la majorité avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition se partagent 91 sièges. La coalition entre le PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges au total. Et puis, le procureur de la République de Nouakchott a entamé mardi après-midi les auditions des personnalités soupçonnées de corruption et de détournement de biens publics dans un rapport d'une commission d'enquête parlementaire produit l'année dernière. Le document épingle la gestion de l'ancien président Aziz durant sa décennie au pouvoir de 2008 à 2019. Le document cite 14 membres et ses différents gouvernements dont les anciens premiers ministres. Ils étaient parmi les premières personnalités été entendu par le procureur. Et puis, pour euh, terminer cette phase internationale, près de deux mois après l'élection présidentielle, l'opposant Bobby Wine demande à la population de se mobiliser pour contester les résultats officiels du scrutin et la victoire du président sortant, Yoweri euh, Museveni, après avoir retiré son recours devant la Cour suprême. Le principal candidat de l'opposition appelle maintenant les Ougandais à réagir. En espoir, nous ouvrons avec la reprise des championnats au Sénégal. La Ligue professionnelle joue ce week-end sa dixième journée à Thiès. Le derby Thiès Football Club Amitié FC, major Africa Promo Foot. En Ligue 1, le CNEPS Excellence se déplace à Dakar pour rencontrer Nyarutali. En Europe, huitième de finale de la Ligue des Champions retour, la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo est éliminée par Porto. Juventus Turin bat sur le score de 3 buts à 2. À l'aller, Porto avait battu 2 buts à 1. Dortmund aussi gagne son ticket pour les quarts de finale face à Séville. Deux buts partout à l'aller, Dortmund battait 3 buts à 2. Au programme aujourd'hui, Liverpool joue Leipzig à l'aller, victoire de Liverpool 2 buts à 0. Et le Paris Saint-Germain joue FC Barcelone à l'aller. Le Paris Saint-Germain avait battu sévèrement 4 buts à 1. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.